tous, bienvenue dans la matinale de King FM après trois superbes chansons juste après le top de 8 heures. Euh, forcément, on va débuter cette matinale 100% épicée comme j'ai l'habitude de le dire sur King FM 99.4. Je suis Fatim O et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 juillet. Ben, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour comme d'habitude du lundi au vendredi même si on est que jeudi, demain, euh, dernier jour de la semaine. Euh, je suis toujours avec euh, mes chérailles de chroniqueuses, Bintou et Nafissa. Nafissa aujourd'hui comme portrait du jour propose Diomancy Camara. Et puis côté mode, polo pour hommes. Et oui, c'est tendance, c'est l'été, forcément. Les hommes aiment s'habiller légèrement et le polo c'est assez léger, n'est-ce pas Nafissa léger. D'accord. Donc, Bonjour Nafisa. Bonjour Fatim. Comment tu vas Très bien. Bien, merci. Alors, notre euh, wolofone dans la matinale, elle s'appelle Bintou. Bonjour Bintou. Fatim Omanglenu Bien, bien. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui euh, Bintou comme santé, bien-être, nous nous proposons ben euh, faire bu ñuy wax lictiose. Lictiose, je ne connaissais pas. Waouh, c'est une maladie bo que tu as la peau des ndurok deru jeune. Des neuroderujon. Wow. Wow. C'est pas une question de malformation par hasard. Non, c'est pas non. une. dañ koy judduwaale te il faudrait le traiter mais c'est une fièvre la boo xam ne nekk sa yaram bi day wow kongu ba pare day ñuroog at ay écailles. Mon Dieu, Nafisa. Ouais. Euh, ouais. La peau. D'accord, ça fait un peu peur. En hein. découverte, qu'est-ce qu'on a T'as découverte de petit désert de Lompoul. Ah, le désert de Lompoul mhm. Oh là là Et je rappelle qu'il y a de temps en temps des festivals qui sont, qui sont organisés, là-bas. Dans le désert de Lompoul, qui est un superbe désert, hein, qui se trouve à Kébémer, si je ne m'abuse. Effectivement, Fatima. Bien, bien, bien. 8h21 minutes dans la matinale. Euh, plein de choses forcément aussi. Euh, cuisine, n'oubliez pas la cuisine, c'est vers la deuxième partie et dernière partie de la matinale. Vous aurez l'horoscope du jour aussi et vous aurez des petites minutes people. 8h22 minutes, ça c'est un classique à l'africaine. On écoute et on revient et je rappelle aussi que Daouda comme d'habitude est là, notre technicien de la matinale et puis cher du digital. Vous avez la possibilité de nous suivre sur le euh, site internet de kingfm FM, www.kingfm.sn, sur le live de notre application GFM et vous, sur le Facebook de King qui est kingfm.com, sur euh, l'Instagram kingfm Sénégal, le Twitter avec le hashtag KingFMSN et nous suivre sur Snapchat King Sénégal. King FM, première radio digitale et musicale. C'est parti pour deux heures de bonne humeur. À tout à l'heure. 8h30 minutes dans la matinale de King FM. Un petit coucou à Dedoïja sur le Facebook Live de King FM. Euh, Awa Dabowad qui a fait une bonne suggestion. Mais après, euh, on verra. Il n'y a pas de souci. Joyna Banjai, euh, Binet Binette Gujabi qui voulait son petit calais de Daphné from Cameroun. Il n'y a pas de souci. C'est déjà fait. Hassan Dao qui fait un petit coucou à toute l'Afrique et puis aux Congolais, aux Congolaises. Euh, et puis voilà, c'est terminé pour l'instant. On, est en train de chercher le ton We Found Love. Hein. S'il n'y a pas le We Found Love, Hassan, de Rihanna, on te mettra un autre Rihanna. Alors, euh, est-ce que tu es prêt pour le portrait du jour Aujourd'hui, je, mélange les cartes. J'aime ça. J'aime pas tout le temps faire euh, la même chose. De temps en temps, je bifurque de gauche à droite, c'est-à-dire d'un Doukogne. Mhm. Alors, <laughs> <laughs> mm -hmm, vraiment Eh oui, portrait du jour, on va parler du beau gosse si Camara qui fait partie de l'équipe de 2002, n'est-ce pas Nafissa Oui, effectivement, qui fait partie de l'équipe de 2002 et mhm. euh, qui a joué jusqu'en 2014, si Camara. Je pense qu'on ne présente plus euh, au niveau du Sénégal que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes connaissent. D'accord, si Camara, footballeur, sportif, euh, homme très généreux. On écoute le magnéto de Nafissa et puis on revient avec ce métis franco-sénégalais. 1, 2, 3, portrait Diomansi Camara est un footballeur franco-sénégalais né le 8 novembre 1980 à Paris en France. Il est métis, né d'un père sénégalais et de mère française. Son nom de famille s'écrit avec un K à la suite d'une faute de frappe des autorités françaises. Diomansi a passé toute son enfance en région parisienne à Geneville où il a fait ses premiers pas de footballeur. En 1998, un club voisin, le Red Star, le recruta. Ensuite, départ pour l'Italie en série C. Il végéta un peu avant d'éclater avec Modène lors de leur accession en série A ou pour son son premier match, il délivra une passe décisive à Rome face à la Roma pour une victoire de 2 buts à 1 de Mondena. Le 21 mars 2011, son club de Fulham le prête à Leicester City pour le reste de la saison. En 2012, il rejoint un club turc. À l'été 2014, il revient à l'US Catazaro, club qu'il a déjà fréquenté entre 1999 et 2001. Djomansi Camara a été dans l'équipe nationale en 2003. Eh oui, exactement. Nous, on dit l'équipe de 2002 parce qu'ils nous ont fait rêver, mais c'est vrai, c'est vers 2003, exactement. Exactement, 2003, mhm. qu'il a intégré l'équipe nationale du Sénégal. C'est quand même dommage. Je trouve que c'était quelqu'un qui, euh, qui n'a pas, qui n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup joué dans l'équipe nationale du mhm, Sénégal, mais qui a, voilà, tardivement, mais qui a, qui a, qui a eu euh, à, faire euh, beaucoup de clubs en Angleterre, en Italie, en France. Donc, c'est quelqu'un. Et jusqu'à présent, il a 36 ans je pense qu'il fait partie des plus jeunes hein, de la génération de 2000. Bah ben oui, il a 36 ans, il est jeune, oui, bien <laughs> sûr. bah oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais, ouais j'insiste. <laughs> Alors, je vais un peu vous lire son parcours professionnel. C'est quelqu'un qui a, qui a débuté en 1998. Alors, Diamant Camara fait 1m83, donc ça va ah quand même, il est grand. il, est hein. grand il est grand, voilà. c'est Et son poste, euh, il est, il, est, il est attaquant, donc il est né le 8 novembre 1980. Mm-hmm. Donc euh, voilà, ça va lui faire 37 euh, cette année. Mm-hmm. Il est de nationalité sénégalaise. Alors son parcours professionnel de 1998 à 1999, il a été en France dans un club qu'on appelait Red Star. Donc euh, je l'ai dit dans le magnéto, un club où il a été un peu lésé, où il ne jouait pas beaucoup. Mm-hmm. Et euh, c'est par la suite que l'US Catanzaro. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai bien lu. C'est en italien. Après, mon accent. Euh, oui, en plus, il parle très bien l'italien en passant. Ah bon oh, je C'est dis, calma, <laughs> Ça te fait uh-huh. Et ensuite, euh, à partir de 2001, de 2001 à 2004, il est resté en Italie avec un autre club qui s'appelle le FC Modène. Mhm. Ensuite, il a quitté là-bas jusqu'en 2005. Il est allé en Suisse où il a joué au Portsmouth. Ensuite, euh, il a joué encore en Suisse avec le West Bromwich. Ensuite, il a joué avec Fulham, un club que peut-être, euh, mhm. je pense que vous connaissez. Mhm. Alors, en 2010, il a été prêté au FC Celtic. Ensuite, il a joué en Turquie. Alors, le nom en turc. Euh, c'est turco quoi. Est-ce qu'il je presse le sport <laughs> Voilà, merci <laughs> Ensuite, il a joué à Leicester City. Et mhm. ensuite, en 2014, il est, il est reparti en Italie avec son club qui faisait partie, avec l'un des clubs qui faisait partie de ses premiers clubs euh, à l'avoir accueilli, mhm. l'US mhm. Catanzaro. Voilà. Et ensuite, en 2003, comme on dit, euh, il, a, il a entamé avec l'équipe nationale du Sénégal. Bon, là, maintenant, il est plus là-dedans, mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'équipe parce que je vois que sur Internet, il donne beaucoup de conseils par rapport à l'équipe nationale. On lui tend beaucoup le micro, Dieu m'en Voilà, mm. quelqu'un de très posé. Je ne sais même pas pourquoi il est pas, euh, pourquoi il est pas, euh, comment dire, euh, comment il faisait Habib Bey et tout ça là. Consultant. Consultant. Si, il est consultant. Ah, je regardais sur quelle chaîne Canal Plus. Ah bon Mais sur ah. Talent d'Afrique, avec Abou Bakriba, euh, Patrick Boma et les autres. Ah ben oui, parce que franchement, moi je trouve que hier j'ai regardé une vidéo euh, par rapport à son portrait, je regardais une vidéo et j'ai trouvé qu'en fait... Euh, il était, il était très posé. pour une émission, en tout euh, cas. Voilà, Une émission sur Canal+, pour que ce soit plus clair. Il a de très bonnes idées. Et mhm. euh, sa dernière sortie aussi, il parlait de l'équipe nationale, ça fait même pas 24 heures, où il disait qu'il faut laisser les, les, les, jeunes vraiment bosser, mmh. laisser aussi bosser, euh, mhm. lui laisser le temps. Donc tu sens que c'est quelqu'un quand même, malgré ça, qu'il est, c'est un binational, mhm. c'est-à-dire il, est, il est français, franco-sénégalais, il aime le Sénégal. Sénégal. Et ça se voit, moi c'est ce côté-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il aurait pu se dire, moi, je vais aller jouer en équipe de France parce que je pense qu'une fois, d'après ce que j'ai vu, il a été, euh, on voulait le prendre en équipe de France, mais il a préféré mhm. parce que dès que tu joues pour une équipe, tu ne peux plus aller euh, vers l'autre. Donc mhm. il a préféré jouer pour le Sénégal. Donc je pense que c'est déjà euh, beaucoup pour lui. Tout à fait, Jimmy qui dit il est consultant et reporter de match à Canal en même temps, un mec pertinent et connaisseur de football. C'est un mec calme, cool, serein, il est consultant à Canal+. Alors Nafisa Diomansi c'est un grand consultant à Canal+ et il est pertinent, ça c'est Jaina Banjai. Donc euh, tout le monde adhère à ce que tu dis. à Sandow. qui dit ils sont ils ont fait la fierté nationale et internationale. Diomansi Camara fier de toi, cher Tiganley, qui vient tout juste de nous rejoindre dans la matinale, euh, Djibinia qui est toujours là. Binette Goudjabi, euh, Mimiko, parce que le Paris Style SN, là, <laughs> j'ai du mal. Rabia Toucham qui vient tout juste de nous rejoindre, qui dit salut les filles. Mhm. Alors, Dieu Camara qui est actuellement euh, à Abidjan, on a ça alors, euh, oui, il est à Abidjan par rapport au jeu de la francophonie. Mhm. Et aussi, euh, Diamanti Camara, ça c'est pour compléter ton portrait. Mhm. voilà, il a une, une entreprise, une agence d'agents de joueurs. Oui, ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Voilà. <laughs> Donc euh, quand il flaire un bon joueur, et eh ben Joma aussi euh, va voir ce joueur-là, des joueurs sénégalais euh, de surcroît. voilà, il va, il regarde la technicité, plusieurs matchs et tout ça, et après il le propose parce qu'il travaille en collaboration avec des équipes en Europe, mm-hmm. donc il voilà, il est dans la collaboration et puis ils disent d'accord, je vous, je vous envoie ce joueur-là ou je vous donne ce joueur, ou je vous vends ce joueur-là qui a ça et ça et ça et ça, qui fait ses preuves par rapport à ça. C'est un agent de joueur aussi et il a une structure par rapport à ça. Et aussi, euh, bon, après ça, c'est du, paraît-il, hein, euh, qu'il investit beaucoup dans l'immobilier. C'est-à-dire. Euh, il investit beaucoup dans l'immobilier. Effectivement, il a beaucoup de maisons, d'immeubles. en somme, il est friqué aussi, il est pété <laughs> de thunes. Ouais, les filles. Ouais. Sécurité pour Diamansi Camara. Il est marié, il a beaucoup d'enfants, merci. <laughs> et en plus, c'est mon, euh, mon, parent Bambara. Camara. Mais il comprend pas Bambara. Euh, bah oui, c'est un Camara. Parce que ça s'écrit avec un K. Alors j'ai lu que le K, ça a été une erreur de frappe euh, au niveau de la France, carrément. C'est eux qui se sont trompés, qui ont mis Camara avec un K. Avec un K, euh, voilà, alors c'est avec un C. Yes. <laughs> c'est Camara. Oui, alors, oui, Bintou. Ça se voit que par rapport à l'équipe nationale, c'était de la complémentarité. Parce que quand on parle de LH Diouf côté Bad Boy, mhm. Diamansi Camara, c'est le calme, c'est le posé. Mhm. Ce que j'aime le plus chez lui c'est qu'après le football a une reconversion ça veut dire que il faudrait que nous jouions du football en mhm. même temps mhm. ça te permet après le football d'avoir une vie mhm. d'avoir nga à tes besoins d'avoir une activité et il a un surnom Crazy Joe oui, Crazy, Joe. Pourquoi Crazy Joe Parce que quand il marquait des buts, il faisait euh, la gestuelle genre je suis malade, je suis fou, j'ai marqué un but. Euh, et, après on l'a surnommé Crazy Joe et il adore quand on l'appelle Crazy Joe. Il dit oui, salut, comment tu vas Ça va. Tout va bien. La prochaine fois que je le verrai, je lui dirai ça va, Crazy Joe. Et ouais, il va sourire, il va, il va apprécier vraiment, vraiment, vraiment. Donc, portrait du jour, Djomansi Camara, 8h40 minutes. Ça fait du bien quand même de se réveiller le matin, de faire un portrait de quelqu'un, d'une référence dans le milieu du foot sénégalais. Et en plus, de ça beau gosse qui motive. Mhm. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de nanas aussi qui étaient là. Abibé, Sylvania, Diomonsi Camara, les euh, <laughs> Tant que nous, on est là à ouvrir nos bouches patapata là. Ouais. Il y en a, ils vont pas faire long feu. <laughs> Regarde Armand Traoré, le pauvre, il est arrivé. À peine, à peine le petit est rentré 90 minutes, les filles ont commencé. <laughs> on l'a. Oh. Ah ben, c'est ça, ben, c'est ça, euh, les, les, charmes du foot. C'est déjà le jeu, hein, mhm. et puis euh, les footballeurs avec ouais. les de quelqu'un qui a eu euh, toujours une vie rangée. Moi, Dumont Camara fait partie des rares euh, oui, n'ont qui n'ont jamais eu de scandale. Je n'ai jamais entendu, on l'a aperçu dans une Quelque boîte mhm. on l'a aperçu ici, il a fait ceci, il a fait cela. Parce que moi, toutes les fois que je l'ai que je l'ai vu, c'était dans des restaurants, un truc comme ça. il, est, toujours en famille, religieux, très, voilà. très religieux. Mon si Camara, très ex, limite même je dis, mon si tu, tu exagères, extrêmement religieux. Bon, c'est pas un terroriste, hein, mais il est très droit. Il est très droit dans ses bottes. Hein. il plaisante pas avec euh, la religion musulmane. C'est prières c'est que les, anciens là, pendant que tout, pendant qu'il y en a qui étaient, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai remarqué aujourd'hui par rapport aux sportifs ils ont tous cette étiquette-là. Et si mhm. vous remarquez bien, ceux qui ont eu cette étiquette de, bad boy, de tout ça, ils en sont où Zéro, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais joué. Donc euh, aujourd'hui, si tu remarques ceux qui étaient calmes, ceux qui étaient posés, aujourd'hui un pape Bouba Diop, on ne l'entend pas, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup investi, c'est quelqu'un qui, a, qui, va assurer sa retraite. Et pourtant, c'était quelqu'un de très effacé qui jouait bien. Il mhm. euh, y en a, il y en a. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui euh, que peut-être la nouvelle génération devrait suivre, parce que c'est pas parce qu'on est peut-être un footballeur professionnel, un basketteur professionnel qu'on doit se permettre de faire n'importe quoi. Donc voilà, je pense que c'est des références. En tout cas, Diomansi Camara c'est une référence. Et euh, les échos que j'ai eu de lui, franchement, euh, nickel. Hein. Nickel, ça c'est clair. Sexy. Crazy Joe. On continue en musique <laughs> et puis on revient avec euh, des minutes people. Merci Nafisa pour ce de rien. magnifiquement sexy. 50 minutes ténor et la dérangé, ténor a raté son bac. Voilà, nous allons <laughs> Il a raté son bac. Échec le bouton dérangé, le bac dérangé. Ouais, le ah bac dérangé. Hein. Ah bon, allez, le jingle People. Les minutes People dans The Morning King. Après avoir raté son bac, ben il y a quelqu'un qui a peut-être euh, raté quelque chose, mais on ne sait pas. C'est Drake qui a tatoué euh, le visage de Lil Wayne sur son bras. C'est quoi ça Lil Wayne, Oui, Lil Wayne, je l'aimais bien parce qu'il n'était pas tatoué, parce qu'il était correct. Ben oui. tatoué. En tout cas, l'image fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant. Drake a dévoilé un tatouage à l'effigie de Lil Wayne sur son bras gauche. Young Manitil I Die a dû se dire Drake avant de céder à ce nouvel élan de folie. Le rappeur canadien s'est en effet gravé le portrait de son mentor dans la peau. Je veux bien que ce soit son mentor, mais dans la peau quand même. Lil Wayne, qui a découvert le natif de Toronto il y a presque 10 ans, reste une figure importante aux yeux de celui-ci. Lors d'une interview remontant à 2010, Drake avait déclaré Il m'a rencontré, il a vraiment aimé l'enfant qu'il avait rencontré. Ce tatouage est donc une manière pour l'auteur de Take Care de rendre hommage au fondateur de Young Money Entertainment. L'artiste a d'ailleurs multiplié les publications de lui, Lil Wayne, mais aussi Nicki Minaj sur Instagram ces dernières semaines. Enfin, rappelons que Drake n'en est pas à son premier coup d'essai. Le rappeur de 30 ans possède une véritable collection de portraits sur son corps. Ses parents, Alia, Rihanna et plus récemment Shadé, sont ancrés en lui. Donc Drake est tatoué. Drake est tatoué. Moi, je pensais qu'il était bourré. C'était la première fois, mais apparemment. <laughs> qu'il était bourré, le pauvre. pourquoi il serait bourré En tout cas, il y a plusieurs portraits de stars américaines sur lui. Eh ouais, ouais. Mati top. Ah bon Je t'envoie ma photo. Mm-hmm. Tu fais mon portrait. D'accord. Je, je, ne comprends pas, mais bon, après. Euh, Moi non plus, je comprends pas. Ah ben voilà. C'est bizarre, hein il est chelou le gars. Ah, il est très très chelou. On passe à Rick Ross aussi qui est tout aussi chelou limite même sexiste à 8h53 minutes de la matinale de King Morning, Morning King 99.4. Invité sur le plateau de l'émission The Radio, The Radio, The Breakfast Club, Rick Ross a donné une réponse plus que problématique pour expliquer pourquoi il n'a jamais signé de femme sur son label MMG. C'est dit sur le ton de la blague, hein, mais ça fait quand même un peu froncer les sourcils. Hein, invité euh, dans cette émission, il a répondu à des questions sur son label, Maybach Music Group. Regorge de talent, il y a Mick Mill, Whale, Staley, Omarion ou Gunplay. La liste est longue, hein, d'une quinzaine de noms, mais il est vrai que, comme l'a remarqué l'animatrice du show Angela Yee, aucune femme ne fait partie du crew. Et euh, elle lui a demandé Mais pourquoi il n'y a pas de rappeuse sur ton label Et euh, Rick Ross qui dit Je me suis toujours dit que je finirais par les la rappeuse, et ça niquerait mon business. C'est-à-dire euh, que si il prend une nana, il mhm. va avoir des relations sexuelles avec une nana. Il cette nana-là. Il a raison. Ça le mérite d'être franc. Oui. <clears throat> mais après, bon. C'est pas une raison. Non, mais. Ouais, mais business je me dis que Jigen, rek il a raison il a dit que je suis focalisée sur mon business, je suis juste honnête avec vous. Si elle est belle, je dépense des sommes énormes sur ses shootings photos et je dois pouvoir la. Il a raison. Avoir des relations sexuelles avec elle quelquefois. C'est charmant, hein, Rick Ross, quand même, quand même. Et eh hein. bang. Et eh bang. Misogyne Vous pensez que ce sont des. Euh, c'est misogyne ce qu'il a dit, Rick Ross Pour moi, que son business marche, il n'y a pas de femme, c'est bon ci sudul di kenen ak kenen ça va être le désordre total. Ben sinon euh, ben, il faudra enlever les femmes de partout là on est là on est que des femmes Daouda est en face de nous est-ce que ça l'empêche de faire son travail. Ben non. Mais après, il se connaît, hein, si la nana. C'est ça, euh, Parce que artiste, t'interdit certaines choses, tu te dis, oh là là. Euh. digne, pervers sexuel ou voilà comme Dembe Usher, Anyway et tout ça. Il y a Arkeli, Voilà, pour ne euh, pas plonger dans ça, je pense qu'il a raison. Ah bah. Ouais, Femme là, c'est Satan. Quand tu nous vois, rek, da ngay ñëw ëllëg nga ligue si nga sol ay est xam tamit c'est quoi. En tout cas. Eh ben, eh ben, <laughs> oui, ben, je pense qu'aujourd'hui c'est du eh ben. gars qui dit mais non, Rick, Rock, Rick Ross, pardon, exagère ta mythe, c'est pas une raison. C'est pas une raison, mm-hmm. je pense aussi. Hein. C'est pas une raison. Divine Fatimo, je vais me tatouer le visage de Nafissa pour les minutes mytho. <laughs> Hein, il n'y a pas encore. D'ici la fin, là, je vais vous sortir un truc. Mm-hmm. Mm. En tout cas, euh, ces stars américaines ont toujours quelque chose euh, de bizarre, de, bizarre, de surprenant, d'édifiant. Euh, on continue avec French Montana qui aide à la construction d'un centre hospitalier en Ouganda. C'est bien. Mais quand est-ce qu'ils vont venir au Sénégal C'est tout le temps. Euh, vous me direz aussi, parce que c'est l'Afrique francophone, eux, ils sont américains, ils se dirigent vers les pays africains anglophones, ce qui est assez logique, n'est-ce pas, Bintou Bonne finir ça. Pourquoi euh, On a un public spécial, tu l'as dit. <laughs> En concert, oui, mais après, s'ils font des danses, ils aident. voilà avant de faire tes dons. Hmm. C'est les go qui vont te récupérer à l'aéroport. Mhm. Ah. ah, et prendre tes dons, c'est ça Voilà. Mhm. Mhm. D'accord. En tout cas, en mai dernier, French Montana faisait don de 100 000 dollars à l'organisation Mama Hope afin de lutter contre la pauvreté en Ouganda. Aujourd'hui, l'œuvre caritative du rappeur porte déjà ses fruits dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'initiative est née en marge du tube Unforgettable. French Montana de passage en Ouganda pour rencontrer les Triplet Ghetto Kids et tourner le clip de ce titre décide d'aider la communauté ougandaise. Je rappelle que euh, Eddie Kenzo est ougandais. Et le rappeur se lie aussi à la cause de Mama Hope. Cette organisation caritative encourage l'entrepreneuriat en Afrique dans le but de lutter contre la pauvreté. Et à peine quelques mois après son engagement, l'action de French Montana commence à se concrétiser. En effet, les travaux de construction d'un centre hospitalier entrepris récemment sont en bonne voie de finalisation. Donc voilà, et c'est via une vidéo postée sur Instagram qu'une des responsables de Mama Hope a tenu à remercier French Montana pour son aide précieuse en tout cas. Voilà, il a 32 ans, il n'est pas insensible aux difficultés que rencontre la population en Afrique. Et je rappelle que French Montana est né au Maroc. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est marocain. <laughs> Il est né au Maroc. Avez, vous avez regardé un peu euh, il y avait un petit extrait par rapport à sa, vie. Alors, c'est quelqu'un que, c'est qui a volé l'argent de son père et qui a fugué de chez lui. Mhm. Qui French Montana. Ah bon Il a fait ça. Il a volé l'argent de son père. Il a parce qu'il voulait aller aux États-Unis coûte que coûte. Alors moi, mhm. quand j'ai regardé ce truc, j'étais choquée. Mhm. Il voulait il voulait aller aux États-Unis coûte que coûte. Donc il a volé de l'argent à son père et il est parti. Donc euh, son père l'a renié. Euh, voilà. Il y a de quoi. Il On voit le faire, C'est Il est parti. Et euh, quand il est revenu pour demander pardon à, son, son, papa, mhm. alors faudra taper sur Google pour voir la maison du papa de French Montana. Donc il lui avait volé peut-être, je euh, je sais pas combien, 2 millions. Et ensuite il lui a fait construire une maison euh, à Marrakech qui vaut je sais pas combien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a débuté par voler de l'argent. Ouais, et il y a beaucoup de cas justement ici d'enfants de, mhm. qui volent les parents ici. Au mhm. Sénégal, il y en a plein. Ouais. Et ce sont les garçons la plupart du temps. Les garçons et les filles. les filles. Mais la plupart du temps, ce sont les garçons qui volent. Il y a les filles. Après, c'est les garçons, eux, c'est des millions, des. <laughs> Et mm. Mm. surtout les, autorités. Surtout les autorités. Euh, souvent, on entend. Les fils de... Euh, voilà. Hein. Mm. Parce que moi, j'en avais, eh j'avais des potes. Euh, tu te disais, mais ça va, ton père, il a gardé tout ça donc <laughs> Ça va, hein. C'est comment Mais quand même, sécurité pour les parents. On ne vole pas les parents. On ne vole pas les parents. Ils vous ont mis au monde, ils vous ont mis dans des conditions, de bonnes conditions, sincèrement. Ils vous ont bien éduqué. Et vous, ce que vous faites, c'est aller voler l'argent de vos parents. Mais au nom de quoi Est-ce que Khalis, en fait Il y a une somme. Bah, s'ils ont un coffre, pourquoi pas Il y a les baol baol qui sont là. Mais mettent, on pas les euh, baol baol. Hein. Comment C'est pas ah, les, les enfants. Mais je veux dire que les aussi les euh, gardent de l'argent chez eux. Baol baol, eh, ils hamana ils gardent halis. Ils l'argent chez <laughs> eux. Ils karoy. Dugal ko ci soufu ciment bi. Tej ciment bi. ko ne ko zay yow. Ñun suñu koñ pas bam aduna ci gis bi. Donc toi, tu avais tout ça là, tu avais gardé tout ça là. Quand tu passes. <laughs> Eh en tout cas, dit c'est une faute de jeunesse. Je l'ai fait, mais je le regrette. Ah, vous voyez, vous voyez. Il y a toujours des regrets derrière. Euh, Binet Goudjabi qui dit euh, mais il répare après. Laï Bambisaro, ah ñëpp ngi tatoué ma <laughs> man man maa ngi tatoué Fatim rek ah ok merci du rafet de sama kanamu féroce bi <laughs> euh, alors qui d'autre euh, Abdou Lour Koussoumdian qui dit c'est l'argent des Africains qui revient en Afrique mais n'oublie pas hein, euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, hop, Alors, si tu me disais euh, l'Europe, je te dis oui, mais les Américains, c'est autre chose, c'est par rapport à l'esclavage. Hein. Les États-Unis sont créés, euh, c'est les ancêtres des esclaves. Hein. Ce sont les esclaves d'antan, hein, les États-Unis, par rapport à l'histoire. Les, Noirs américains. Les Noirs, américains. Donc, qui d'autre Abdoulour qui dit non, non, les tatoués, c'est pas notre coutume. Bah, si, parce que le jamou, c'est du tatouage les femmes c'est une sorte de tatouage. Euh, jusqu'à présent, et jusqu'à hein, mhm. Donc si ça existe dans notre culture, mon, grand. Rabia Toucham, dommage qu'ils ont eu une mauvaise idée de l'Afrique. Nous sommes pas pauvres, nous avons nos valeurs, nos réalités, qu'ils nous envient d'ailleurs. Euh, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous envient euh, nos valeurs, mais qui commencent à se perdre, hein, parce que vraiment, il y a des choses qui se passent dans des pays eh, africains avec la jeunesse africaine. Avant, 9h, c'est quoi le, truc de French Montana Qui sait le faire le truc de French Montana. Ouais, ce qu'il fait quand il chante. Non. Hein. ah, il fait hein. Ah, je savais pas. Vous avez jamais vu Eh, Après, faudra si Dauda, il a un son de French Montana. C'est lui qui rappe hein. Ah ouais, bien. T'écoutes pas ses sons euh, Non, pas vraiment. Ouais, ok. Il est pas de ma génération. Hein Moi, c'est Snoop Dogg, Jay-Z. Ah. King Morning, il est 9h. Dauda...

Alors, Georges Tendang et big up euh, à vous, le trio, et encore à vous, Bintou, pour le souhait de la journée mondiale des chrétiens. <laughs> ah, ah c'était aujourd'hui C'était hier. C'était non Oui. D'accord. Bisous, bisous les chrétiens, on vous aime et on pense à vous. Et puis voilà, tout le monde est dans la matinale, chrétiens, musulmans, autres. Euh, découvert dans la matinale le désert de Lompoul que j'apprécie énormément. Euh, j'ai fait deux fois Lompoul, c'était top. Euh, si vous aimez le désert, euh, si vous pensez que vous avez une âme de bédouin, eh ben euh, voilà, ça se trouve à Kébémer au Sénégal. Tout de suite, la rubrique découverte avec Bintou. Découverte dans la matinale. Le désert de Lompoul est situé dans le nord-ouest du Sénégal, à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis. Il est situé dans la région de Luka, à moins de 10 km de l'océan, entre Lompoul-sur-Mer et Kébémer. Sa superficie fait 18 km, ses dunes peuvent atteindre une hauteur de 40 à 50 mètres. Le sable par contre, et de ton orgue, voire rouge et très fin. Il n'y a presque pas de végétation à Longpool. Dans le désert, il y a des visiteurs qui se font voir et souvent c'est un avant-goût des grands déserts de la Mauritanie situés plus au nord. C'est désormais une destination assez prisée car il y a plus de sécurité par rapport au désert de l'espace sahélien saharien, notamment du Mali, du Niger et de la Mauritanie, où plane des actes de terrorisme. Des excursions proposées le sont généralement au désert de saint L'hébergement se fait par des campements qu'on on appelle des tentes mours. Effectivement, Bintou, tu as tout résumé par rapport à ce désert de Long mhm. Oui, si vous euh, avez une âme de bédouin, comme je l'ai dit, voilà, euh, mauresque. Voilà, effectivement. Hein. Mhm. il y aller. Yomi explique expliquer comment tu as trouvé l'espace. Magnifique. Euh, bah, tu t'habilles léger. Oui parce qu'il fait chaud. Il fait a Avec le voile mauritanien, si vous voulez, ou bien en short, euh, en tongue, euh, mhm. évitez éviter les talons <laughs> dans le désert. <laughs> soo bëggee doxantu am na dromadaire yoo xam ne ñu ngi fa tu te mets en autre tu changes d'air tu changes d'espace tu changes aussi de décor mm-hmm. moo tax ma ne ñi nga xam ne nekk bëgg nañ tuuti tuuti tuuti génn à chaque fois ci li nga xam ne nekk mooy géej plage et tout ça mën nga dem désertu long te mi ngi fii Sénégal il y a la mer à côté il y a le euh, désert mm-hmm. il y a justement les campements euh, comme tu comme on le voit ici à l'écran ah et vous pouvez faire des excursions en chameau une ah petite promenade en chameau le long de la Effectivement. Et, vous pouvez aussi faire du quad. Ouais. Il y a, il y a le réseau Il y a le réseau. <laughs> il y a le réseau. Non, mais. tu vas pas, tu, tu peux pas, tu, tu, non, pas d'internet là-bas. Ah, C'est ah. havre de paix. Yo, je fréquente pas des endroits comme ça. Moi, je fréquente des endroits où quand je veux appeler mon père pour lui dire papa viens me chercher, je suis en danger. J'appelle. Il n'y a pas de réseau, moi je pars pas. Tant Mouri, amna ta réseau, au sol. Au sol, oui. Beaucoup de fruits, au calme. Réseau Bimom pour deux jours, trois jours. On peut t'appeler, il n'y a pas de souci. Mais Internet, non. Non. Oui, c'est ça, moi, c'est Non, mais si, tu, peux recevoir des appels, il a pas de Et tu peux appeler. Moi, oui, oui, j'ai reçu des appels plusieurs fois quand j'étais mhm. à Longpole. Maintenant, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Justement, il y a, y a, justement il y a un campement superbe là-bas euh, qui propose euh, voilà les tentes euh, où dormir la nuit. Le eh soir, il fait très frais. Ah oui. Le soir, c'est Et puis euh, quoi d'autre euh, Il y, a tout, hein, tout, tout le confort. Hein. Après, si vous êtes trop citadine dans la tête, Bon, je vous, je, vous conseille euh, d'y aller en faisant un switch, en disant je vais dans le désert. Je reste mm. toujours au Sénégal, mais je vais dans le désert côté euh, euh, Lampoule. C'est magnifique. Hein, et clair de lune, et c'est à combien d'heures de Dakar Très bonne question. C'est à combien d'heures Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Dakar, mais ça fait, ça fait plus de 4 heures. Non, moins de 4 heures, je pense. Dans mes souvenirs, j'ai fait moins de 4 heures. Moins de 4 heures. Ouais, j'ai fait moins de 4 heures. De toute façon, euh, cher, euh, tu nous regardes ça, s'il te plaît. Mhm. Et donc, euh, quoi d'autre Ah, Dédodia qui dit Ah, c'est beau, ça, belle découverte. Oui, Dibindia qui dit Le mhm. désert de l'Ampoule fait partie de la richesse de ma région. Ah, oui. Ah, la région de Louga. <laughs> Louga. D'accord, très bien. quoi d'autre par rapport au désert de l'Ampoule Ah, côté sécurité. sécurité. Bien. Il y a la sécurité. Il mhm. un désert un désert a un côté Mauritanie zone boobu yep dañuy craindre li nga xamné Que moy terrorisme mais euh, fi nga xamné un désert de Lompoul c'est assurer que y a la sécurité. qu'est-ce qui assure ça. <laughs> Qu'est-ce qui est sûr qu'il y a la sécurité ministère, en, tout cas, pour manger, on mange très bien aussi. Il y a michui au faux de bois, que vous voyez le michui en train de euh, rissoler. C'est très très bien, vraiment, mhm. vraiment, vraiment, c'est très bien. Et euh, pendant justement euh, à, l'époque, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de festival du Sahel, mhm. il y avait beaucoup, d'ambassadeurs. Mhm qui venaient pour lors du festival. Ce festival durait, dans mes souvenirs, trois jours. Et il y avait énormément d'artistes sénégalais, mauritaniens, maliens, euh, qui jouaient du blues, euh, etc., qui allaient avec déjà le décor du désert. dans le désert, il ne faut pas n'importe quel genre de musique. Hein. Mm-hmm. Il faut une musique qui, qui, va avec le désert. C'est à 2 h 48 minutes. C'est à 2h48 minutes, justement. Dakar, ouais. Euh, c'est ça Oui. Bon, bah, très bien. Pour aller à l'ampoule, il vous faut 2h48 minutes, euh, les auditeurs et les internautes. Donc, il dit, voilà, tout ce qui est blues ça sahélien, voilà, c'est tout ce qui est arabophone, tout ce qui est euh, voilà les petits tambours à la mauritanienne, les, les, musiques douces et tout ça, mhm. et eh ben c'est très bien pour le désert, de, mhm. Et côté sécurité, voilà, je reviens. Il y, avait beaucoup d'ambassadeurs qui allaient lors du festival de Lompoul, mhm. et euh, il y avait, dans la mesure où il y avait des ambassadeurs on euh, ont demandé à ce qu'il y ait le maximum de sécurité euh, dans ce festival-là pour éviter les kidnappings d'ambassadeurs. C'était la période où on kidnappait beaucoup d'Européens. Euh, et donc, à chaque fois, et à chaque fois, <laughs> et moi, à l'époque, je me rappelle, on m'avait invité, c'était l'ambassadeur d'Italie au Sénégal qui m'avait invité. Et ce monsieur-là, le lendemain, je reviens sur Dakar j'ai un, journaliste de l'Observateur euh, qui m'appelle, qui me dit Fatim, tu étais à l'ampoule Je dis oui. Je dis comment tu as su Il me dit non, parce que les RG, euh, voilà, il y a ton nom sur la liste. Et donc, moi, je ne savais même pas que. Euh, moi aussi, j'étais surveillée dans la mesure où j'ai été invitée par l'ambassadeur d'Italie. Donc, pour vous dire que la sécurité est au maximum. De toute façon, on a les meilleurs RG de l'Afrique francophone, hein, de toute façon, au Sénégal. C'était pendant le festival. C'était pendant le <laughs> festival. Et je me suis dit, mince alors, parce qu'après, ils se renseignent, ils se disent, les invités des ambassadeurs, c'est qui Parce qu'on ne sait jamais, ça peut partir euh, mhm. de l'intérieur, hein, le kidnapping mhm. des, personnes. Ça peut partir de l'intérieur. Donc, euh, ils ont regardé mon profil. Ah, celle, là, elle est où Ah, Futur non nanana, ok, d'accord. Donc, euh, voilà, j'ai été, mais surprise, j'ai dit, ah ouais, mon profil. <laughs> Donc, les Django Bopare. Mhm. Après, il ah, ok, d'accord. Qui moi, andak ambassadeur bi quel est mon andak truc sont les invités ok d'accord est-ce qu'ils ont des antécédents est-ce qu'ils ont euh, justement des connexions avec d'autres personnes mm-hmm. oh ils se renseignent sur toi hein ah ouais, ouais, ouais. sécurité ouais mais c'était c'était pour la bonne cause c'était pour la bonne cause effectivement alors Jenna Bandia qui dit Nafisa, t'es comme moi je ne peux être n'importe où seulement internet regardez-moi ça. Mm. <laughs> elle embarque tout le monde. elle embarque tout le monde la Nafissa Abdoulour Koussoum n'oublie pas Somone il fait partie des plus propres et plus beaux communes du Sénégal oui on va parler de la Somone il n'y a pas de souci Abdou euh, euh Binette Goudiabi qui dit. Euh, génial comme sécurité. Mokhtar Senghor, Jenna toi une affiche à Internet va vous rendre folle avant que vous n'ayez pas Internet. Bah, on sera trois, Mokhtar Senghor, avec mhm. toi aussi, hein, sur Facebook. <laughs> JB Jay qui dit la durée du trajet dépend aussi du moyen de transport. Ben oui, c'est en voiture, on y va en voiture, hein, mhm. Alors, qui d'autre euh, Mokhtar, bien répondu JB, pourquoi Bintou croise les bras comme ça bah, elle croise les doigts parce qu'elle a envie de croiser les bras. Euh, qu'est-ce que vous la fatiguez ce matin là En tout cas, belle découverte, le désert de l'Ampoule. Tu as quelque chose à, rajouter Non, juste pour dire que pour nous, nous changer un peu. Nous, nous le désert de l'Ampoule. C'est mm-hmm. un espace très propre, sécurisé. mais aussi, tu peux faire beaucoup de balades, beaucoup de découvertes. Et c'est un désert bon, beaucoup de gens ne pensent même pas que si nous avons changer, nous ne désert. Il n'y a rien là bah ouais. c'est pas nerf alors que y a de la bonne musique. sincèrement oui c'est très bien moi je vraiment je, vous invite à aller découvrir le désert de l'ampoule. il y a de la bonne musique. il y a de l'espace. comment tu nous invites quand. mais Nafissa je peux pas passer mon temps à vous inviter quand même sécurité pour moi. tu veux que tout mon salaire aille chez vous quoi. Oh, oh, je travaille pour vous. En quelque, sorte. <laughs> 9h13 minutes dans la matinale, on continue en musique sinon <laughs> je sens que je vais faire Tu vas tolo quelqu'un. <laughs> je vais plus que tolo <laughs> 9h25 minutes, Express, euh, une chanson qu'on apprécie énormément, que beaucoup d'internautes et auditeurs apprécient, Vitamin Girl. Et eh ben justement, les internautes disent Ah, Jibin Jai, euh, qu'est-ce qu'il dit Non, Hassan Ok number one girl, Vitamin in the Morning King. Thank you, Hassan. Euh, un petit coucou à Ismail qui vient de nous rejoindre. Rasba Fatim, je souhaite un joyeux anniversaire à mon Domzei, Sidiba alias Dapata. Chantez pour lui, please. Est-ce qu'on t'a dit qu'on avait les têtes de chanteuse Allez. À les de présentatrice, de chroniqueuse, Dieu quand qu'on chante. Ah, un happy birthday, bon, on va le faire. Hein. Vous bah, êtes les rois hein, et les reines. Hein. Et moi, on peut chanter pour moi. Pourquoi bah, C'est l'anniversaire de ma soeur, c'est mon anniversaire. D'accord, on fait un 2 en un, Ma happy birthday. Euh, est-ce qu'on a une chanson Happy Birthday uh, hop, hop, hop, déjà en playlist Please, euh, Daouda. À 9h26 minutes de la matinale, on va chanter tous ensemble Happy birthday euh, au pote de Reims bas son Domzey, Sidiba, et puis à la grande sœur de Nafissa qui s'appelle Fatima. Ah d'accord, ok, c'est mon homonyme. C'est ton homonyme. D'accord, <laughs> on va chanter pour mon homonyme. Et puis on va chanter pour Sidiba. Mais euh, en fond sonore, vous avez le Bella de Maître Gims. Alors, tu as trouvé quelque chose Barn. Ah, Bah, Terrible. hein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. On n'a même pas le rythme. Happy birthday to you. Mais qui, comme, comme, Ah, Non, Non, euh, sécurité pour nous, Mbacho. <laughs> Non, il y a Edmond Flo qui a chanté Joyeux anniversaire. il a chanté Ah, franchement. Joyeux anniversaire, un peu. Ou Edmond Flo. Voilà. Voilà, mais Edmond Flo. Ouais. Mais c'est que. Ah. C'est que il aime le sabotage. Daoud, j'en suis sûre que c'était un élève très rebelle. Il fait exprès. Ouais, je le sens. Anniversaire ou il y a des il devient sèche. Et, c'est là qu'il balance ton magnéto. non, non, non, <laughs> non. Et pas le magnéto de Bintou côté santé. Hein. Quand on est face à face, Daouda et moi, il est Sidi voilà. Ah, merci. Et, eh ouais. et <laughs> on est torturé par ah, notre technique. Voilà. Tu sais quand t'es gentil. Moi, je suis heureux. Nous, nous sommes heureuses pour vous. Joyeux anniversaire. Billet monnaie Moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Et puis chanter. on comprend pas. Joyeux anniversaire. Billet de monnaie Billet fêtier La ouais, chante. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. fais la traduction. Hein. Ok, on chante en français. Et là, qu'est-ce qu'il dit Attends. Les amis sont assis. Tes parents sont assis. Ils sont assis tous pour toi, pour te souhaiter joyeux anniversaire. Ils te font de, ils te souhaitent un joyeux anniversaire, ils te donnent des prières. Euh, ton papa et ta maman te souhaitent un joyeux anniversaire, t'envoient des prières aussi. Regarde comment la fille elle me regarde. Quoi, je comprends pas Non, mais je suis, ça, me fait plaisir de ah voir ça, c'est tout. Hein. Ah, moi, j'ai honte de pas parler poulard. Donc, quand je vois quelqu'un parler sa langue, ça, c'est beau pour moi. Et quand on te souhaite quelque chose, il faut dire Amin. Bon, d'accord, après que je sache que tout se passe bien dans ta et moi, on est, vraiment paumés là. <laughs> On est, paumés. Je peux même pas chanter pour ma grande sœur et ah, j'y tenais. C'est pas, pas de ta génération. Comment Bimon, c'est pas de notre ah, langue. Langue. Langue. Langue. as <laughs> vu ça Joyeux anniversaire, Sidiba de la place de reims Joyeux anniversaire à Fatima Sal Jack, euh, de la part de Nafisa Sal. Voilà, dans la matinale. Euh, ton ton qui fait, Fatima, tu as un talent caché. C'est quoi le talent caché Le traducteur. Ah oui, mais si, moi je suis une bonne traductrice. Du coup, je t'appelle Bora à partir d'aujourd'hui. <laughs> Bora, c'est qui Bora C'est un traducteur que je connais. <laughs> je t'appelle Bora. Bisous Camara, bonjour les filles, vous m'avez manqué grave, ben, tu nous as manqué aussi. Alors je rappelle que parfois euh, on, ne voit pas certains internautes écrire parce que soit ils sont occupés, soit ils sont partis en vacances, soit ils sont plein d'examens ou soit, soit, soit plein de choses. Mais il n'y a pas de souci, ces internautes reviennent avec plaisir dans la matinale de King FM et disent, vous nous avez manqué les filles, vous aussi, vous nous manquez à chaque fois que vous vous déconnectez et tout ça. On se dit, ah mais ils sont où Pourtant, ils ont il son commentaire il n'y a pas longtemps. Ah, ah ça, ouais, dit, dit oh Fatima Ah, il Kene. Hein. il Kene. 9h31 hein. mhm. <laughs> minutes. Allez, on, switch vers euh, vers la santé. Il y a une pub. Ah, il y a une pub ou des pubs peut-être. Bon bah Dauda pub. Le couple Mabo en fond sonore, euh, et c'est là que je vais donner la news de Rihanna qui rencontre euh, les Macron et repart avec 3 milliards d'euros. Oh, Black Power. Black Power. Tyson. <clears throat> Un mois après l'avoir interpellée sur Twitter, Rihanna a été reçue plus d'une heure hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une rencontre absolument incroyable selon la star, venue lui demander de financer le partenariat mondial pour l'éducation, un fonds humanitaire dont elle est l'ambassadrice. Elle dit qu'elle a eu une rencontre absolument incroyable avec le président et la première dame. Ils ont été incroyablement accueillants avec elle ou eux, parce que je pense qu'elle était venue avec un staff. Et puis euh, voilà, euh, la chanteuse défend plusieurs ONG et a été désignée par Harvard personnalité humanitaire de l'année. Elle a été très inspirée et impressionnée par le leadership d'Emmanuel Macron. Le président français lui a confirmé vouloir porter l'aide française au développement à 0,55% du PIB d'ici 2022, soit environ 3 milliards d'euros de plus que les 9,4 milliards actuels. Mais pour 2017, le gouvernement veut réduire de près de 140 millions quand même cette aide. Et Rihanna, vêtue d'une très ample veste anthracite, a été accueillie sur le perron de l'Élysée par Brigitte Macron Jeans jean slim et veste blanche. Emmanuel Macron ne s'est pas affiché avec la chanteuse devant les photographes. En revanche, sur son compte Instagram, la chanteuse a partagé deux images de sa rencontre avec le président et sa femme, euh, en tout cas devant l'Elysée, des centaines de fans, dont beaucoup de jeunes se pressaient sur le trottoir dans l'espoir d'apercevoir la star. J'ai pas compris son habillement avec sa trop grande veste. De toute façon, c'est pas la première fois qu'elle porte ça, mhm. Rihanna. Mais n'empêche, quand même, euh, elle a bien travaillé. Hein. Elle et son staff. C'est ça. Ouais. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Euh, une grosse veste, bouchat, c'est pas grave. Mhm. L'essentiel, il te plaît. Exactement. C'est bien. de faire mais beaucoup magam magam double fois la sorte quadruple fois. parce qu'on aurait pu tout pu tous. mais madame Macron nous, nous, nous, nuyu nous, nuyu ba nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous. eh sénégalaiserie nous, Trump c'est comme ça que Trump a fait hein. <laughs> En tout cas, on fait un petit coucou à Badar Adem. Ils sont nombreux. Hein. Euh, depuis hier, ils sont encore très très nombreux, les internautes, à nous regarder. Faïcher, Armetidian, Binet Goujabi, Jaina Banjai, Abdoulour Koussoum, Ezocham, Benzabadam, justement Ezocham, qui dit le personnel, Fatim, le personnel de l'hôtel euh, soramon te fait un câlin. Poutou d'amour pour euh, l'hôtel Sohamon. J'aime beaucoup cet hôtel en plus, c'est très joli, c'est très bien ceux qui veulent euh, euh, regarder la mer, vous pouvez aller euh, au Sohamon, c'est très cool. Vous tapez sur Google Sohamon et puis voilà, vous aurez l'adresse Sohamon. Sohamon. Sohamon, voilà. Non, c'est pas en Wolof, hein, C'est pas mais comme si tu savais. Mhm. C'est pas ça, Ok. Qui je tiens loolu dañu nu ma dugg de ce qui est daal dal ma je sais que xuloo maam ma ci dugg comme dit, deret buma lal. laal de je pas dedans Ismailba, Moktar Ismaël Ba Mokhtar Senghor Tons Miringue Hassan Moktar Mokhtar Senghor toujours donc voilà tous ceux qui nous écrivent sur le Facebook Live de King FM hop alors Bintou oui c'est ta rubrique santé. Je l'ai mis en dernier parce que, euh, sincèrement, c'est pas joli les images qu'on va voir. Et quand même, donc, euh, on va y aller. Ces images peuvent choquer, moins de 18 images peuvent choquer. Serine Baké, Johan est dédicace à toi. Qui, tu dis quoi Salut la team King Merlin, Fatima Bintou et ça. On est toujours branchés, mais j'aimerais comprendre la relation de Rihanna et Chris Brown. Il n'y a plus de relation, c'est fini Chris Brown est c'est mhm. tout c'est fini c'est fini c'est fini entre Rihanna et Chris Brown elle sort avec le propriétaire de Toyota et paraît-il, il y a beaucoup de gens dans la mesure où Rihanna est, a grossi, hmm, il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être qu'elle est enceinte, mais c'est pas encore sûr. Cher Diouf, euh, salut à tous. Je reviens pour rappeler que je prépare une sortie pour toute la MIFA du Morning King. Nota bene, la prise en charge de tout le monde me revient. Oh, bien, bien. C'est lui qui prend. Ah, ouais, tu prends. Cher Diouf. Cher Diouf. Yes. Alors, tout de suite, euh, santé, la rubrique de Bintou. Les petites minutes santé. La peau est normale à la naissance, mais devient sèche et rugueuse plus grise à l'âge de 1 ou 2 ans. Il existe des formes légères prédominant aux jambes, des formes plus accentuées, plus diffuses formant des squames polygonales. Il y a accentuation de la sécheresse au froid, accentuation par l'humidité et la chaleur. L'ectuose est une dystrophie cutanée congénitale qui correspond à un état particulier de la peau sèche et couverte de squames, fines à bord libre disposées comme des écailles de poisson, plus ou moins étendues et elle respecte la face, les plis, les paumes, les mains et la plante des pieds. La desquamation est continue. Les personnes qui en sont atteintes ont une transpiration très diminuée. Dans des termes plus scientifiques, c'est une anomalie métabolique de la couche cornée ou une hyperkératose. L'hyperkératose est l'épaissement anormal de la couche cornée. La peau est sèche et rugueuse, les peaux mortes se détachent presque continuellement. Cette maladie chromosomique est due à une microdélatation au niveau du locus. On ne connaît pas de traitement curatif, on ne guérit pas de lectuose, mais on peut l'améliorer. Alors, cette maladie est spéciale quand même. Oui, hein. très spéciale. Mm-hmm. Euh, comme Ninko s'est je pense que ça a été choquant ba pare day daw yaram en fait c'est une réalité c'est une maladie bo xam ne que luxio ça existe mhm. ça existe chez les enfants amna ñoo xam ne que màggaale nañ ko ñoo ne que dañ dem ba nek mak c'est une maladie bo xam ne que c'est héréditaire mais gis nañ ay cas yo xam ne que day dab nit ki so judduwee day euh, sa peau bañ na ko ba moo bi lictiose mi ngi jógee ci mot grec manam ça veut dire que poisson manam gis mhm. nga jeun ni mu mel écailles mhm. forme bobu la sa yaram di mel Mhm. c'est une maladie qui xamné malheureusement que a pas de traitement il n'y a pas de solution ni ñu oh. def jox ay euh, produits wala ay huiles des huiles dermatologiques qui xamné pour apaiser parce que le fait que peau bi di wow wow wow wow mhm. rek comme solution Oh là là, oh Mais qu'est-ce qui c'est quoi les, les, les causes de cette maladie Wow, cause bi c'est génétique la ñu wax am euh, soit chipa, pa ci yaay bi wala ci papa bi am na benn gène bo xam ne ne que koy jëlaale moom ngay gène en fait moom ngay euh, ci gène euh, à travers soit c'est un bu en état wala soit rapport sexuel ci gène peux ngay récupérer mom nga kay jëlee moy développer maladie bi mais c'est une maladie qui xamné c'est très complexe dañ nek ci étude bo xamné pour déterminer exactement c'est quoi comment et pourquoi exactement. Et on dirait que c'est une maladie qui touche, euh, qui, qui, qui, peut, qu'on peut, qu'on peut choper quand on est enfant. Ouais. Tu ne peux pas choper ça à l'âge adulte. Si, mais de très rares cas ñi nga xam ne dem dem ba nekk mais ñi ci bëri dañ ko ko ngay am sax dem ba moment duñu a supporter le fait que seen yaram di wow doo transpirer tu n'es pas euh, esthétiquement c'est pas joli tu n'es jamais à l'aise psychologiquement y a beaucoup de répercussions par rapport à feebar ah ça il existe des cas au Sénégal. bien sûr au Sénégal. Moi, si je me rappelle bien, j'ai déjà vu. Mais c'était une petite fille. Qui avait, euh, qui avait cette maladie. En fait, je ne savais pas que c'était une maladie. Moi, tu mm-hmm. sais ce que je pensais mm-hmm. Que c'était euh, parce que c'était un bébé qui avait la peau sèche. non c'est une maladie euh, effectivement fille Sénégal tout tax maladie parce que de si gis benn parents ont des situations très difficiles huile de cher à chaque fois nous collecter pour li nga ne moy xalé bi di diw huile bi bi day dem ba japp sa yaram bi imagine toi nga jël ben flacon ça ne dure même pas une heure de temps wala deux heures de temps donc pourquoi pas mettre en avant yenn maladie yo ne que ça existe bel et bien au Sénégal et y a des gens yo souffrent souffrir énormément est-ce qu'ils ont une longévité les gens atteints de cette maladie. c'est ça en fait Il y ñoo des ne dinañ am longévité mais nous avons une longévité de euh, du du du ils ci parce que tellement que le traitement est fait, la situation est ni ngay ah tu es une personne je ne vais pas dire normale mais tu n'es pas comme tout le monde Tu mën a noyyi bu respirer bu baax am yenn activités donc du coup longévité bi euh, mën nañ ko natt ci yenn Dedo déjà sur le Facebook de King FM Live qui dit pourtant il y a l'association Les Racines de l'Espoir de Sophie Gays. Je sais pas si vous connaissez. Bon, personnellement, je connaissais pas. C'est son combat. Elle fait la collecte des crèmes prescrites par le dermato pour le distribuer aux enfants atteints de cette maladie. Il y a même un petit qu'ils ont eu à évacuer en Espagne pour qu'ils suivent un traitement pour voir. Binet Goudjabi, j'ai vu une dame, une jeune dame avec cette maladie ici à Dakar et la dame se voile toujours. Waouh. Vraiment. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Imagine elle en dernière position par rapport à li c'est désagréable c'est pas évident donc pour ñi nga une euh, peau chaque jour elle est obligée de se voiler parce que comme je l'ai dit esthétiquement c'est pas beau à voir ah c'est pas beau à voir ça c'est clair mais j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reculent devant eux, c'est-à-dire comme s'ils avaient euh, la peste ou le sida. Tu vois, boo gisee ñi nga xam ne nekk am nañ sida wala am nañ yenn feebar yi ñu leen di daw te mhm. feebar yoo loo xam ne nekk ça ne se voit pas sida tu vois pas que la personne am na sida binduñu ko fenn mhm. mais feebar bi dafa affiché wul donc du coup automatiquement rek tu évites la personne mm. soo ko gisee rek ki nga xam ne nekk day voilé ça veut dire que y a quelque chose automatiquement si tu vois ces ces gens là rek dañ lay dañuy pousse wala nit yi du ñu bëgg a am ay contact direct ak ñoom le bas âge ba ngay nek ci yenn âge à chaque fois day gëna yok wala day empirer c'est une maladie bo xamné que sincèrement c'est pas beau à voir Merci beaucoup en tout cas Bintou. Euh, alors, euh, qui d'autre a réagi par rapport à cette maladie Junior Dash, salut les queens. Bintou, il y a une fille qui souffre de cette maladie dans notre quartier, ce n'est pas du tout cool et c'est dur pour elle. Mhm. Jibinjai, mm c'est pas facile de vivre avec ça et il faut beaucoup de courage et la plupart de ces personnes font souvent l'objet de stigmatisation. Eh ouais, eh ouais. Oh là là, vraiment, vraiment beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage de... Ah, de volonté pour, euh, pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Merci beaucoup Bintou de nous dévoiler cette maladie à 9h48 minutes dans la matinale. On continue tout de suite avec Nafissa pour la mode, la mode pour les hommes, le polo Nafissa. Oui, la mode pour les hommes, le polo qui est... Euh, Ton micro Nafissa, on t'entend pas ah, très bien. Ok, voilà, c'est bon. Alors, euh, je pense que le polo en ce moment, c'est vraiment une tenue adéquate. Mhm. Il fait chaud. Oui. On est en été. Donc, euh, voilà, j'ai ramené une série de polos, surtout avec des couleurs qui sont, on va dire, c'est des classiques que tout le monde peut porter, tous les teints, que tu sois euh, voilà, clair, noir, euh, ça dépend. Tu peux les porter, donc ce sera les couleurs qui vont aller à tout le monde. Donc euh, il y aura la série. Je ne sais pas si chaque est prêt ou pas. Et c'est justement les polos là qui vont aller avec les casquettes que tu as présentées hier. Voilà, les polos qui vont aller avec les casquettes. Les casquettes, d'accord, ok. bon, alors est-ce qu'il y a plusieurs sortes de polos, c'est-à-dire polo carré pour les épaules carrées, les mm. et ceux qui sont Chiquili boys ceux qui sont voilà. Est-ce que le polo va à toutes les formes. Mhm. Mhm. Alors, il euh, n'y a pas de polo carré, il n'y a pas de polo euh, pour les épaules. Alors, le polo, c'est quelque chose qui vient du rugby, c'est-à-dire les gens qui font le foot américain. Ah le polo, aujourd'hui, c'est... C'est euh, pour les costauds. Shirt, mm -hmm. ouais. qui te donne à la limite un air... voilà, c'est comme si tu avais des, muscles. <laughs> oui. <laughs> Pardon. <laughs> Parce qu'on t'entend pas très bien, c'est pourquoi. On dirait que c'est mon je pense, qu'il est parti parce que même moi, je. je ouais, toi, tu ne t'entends. D'accord, ok, on va te changer le euh, micro. Voilà, le polo, c'est vraiment un accessoire. Euh, je pense que les Tikili Boys, au contraire, ils doivent avoir des polos. C'est les Tikili Boys qui peuvent euh, porter plus les polos, ça leur va mieux que les bodybuildés Ah bon Les bodybuildés. Donc, mais je parle des Tikili Boys. Aujourd'hui, quand un Tikili Boy porte un polo, ça lui mhm. donne un air. voilà. Par exemple, si Cherfei aujourd'hui empruntait à Daouda son polo, s'il le portait, ça allait lui donner parce que ça te gonfle au niveau des, des, des bras. Des bras Voilà, ça te gonfle au niveau des bras donc ça te donne un air, euh, voilà, comme si tu avais, euh, hein, comme bah. alors que ce n'est pas le cas. Alors, en, attendant, en, attendant de régler, en attendant de régler le micro de Nafsa qui va mettre en avant quand même ses polos pour hommes. Hein, qui sont très tendances. Euh, donc on va mettre un petit peu de musique. Et euh, pour vous donner aussi un aperçu de ce qu'on va préparer, on va préparer une salade César, parce que la salade César, ça cartonne beaucoup à Dakar. Beaucoup de gens, quand ils n'ont pas encore très faim, ils disent, ah, je veux manger une salade César. Et comment faire une salade César Ce sera la cuisine du jour à tout à l'heure à 9h50 minutes. So you hold the face, you know you're the face. ça dit 1, 2 Oui, 1, 2, Parfait, ok, d'accord. <laughs> Allez, on continue rapidement parce qu'il nous reste 10 euh, minutes avant la fin de l'émission. alors voilà, donc on va speeder un peu. Alors cher Faï, voilà, alors euh, là c'est euh, les nuances du bleu. Alors là on a un bleu carrelé qui est très joli, les motifs. Alors, euh, avant de, de, passer même euh, aux images, je vais rappeler que les polos relevés, le col du polo n'est plus tendance en ce moment, donc euh, c'est vraiment pas joli. Donc, les polos, laissez-les à leur place. Vous n'avez pas besoin de le remonter un peu comme Roberto, le col Roberto ou quelque chose comme ça. Alors là, on a un polo bleu carrelé qui est très très joli aussi. Le bleu, c'est du bleu de nuit qui est joli avec les motifs beige aussi qui vont à tous les, toutes les couleurs, hein, tous les tous les teints. Donc, que vous soyez noir, clair, c'est vraiment très joli. Alors, cher, la prochaine image. Voilà, là aussi, on a un polo classique avec du bleu foncé, hein, comme tout à l'heure. Sauf que là, on a un peu de blanc au niveau du col avec un tout petit peu de rouge. Donc, c'est des couleurs qui s'associent très bien. Alors, cher, la prochaine image. Euh, voilà, là, on a du noir. Donc, euh, le polo noir avec euh, du bleu clair sur, au niveau des, manches, au niveau du col et là où il y a les, boutons aussi, on a un tout petit peu de bleu avec juste le, le, sigle de la, de la marque. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les polos, souvent, il n'est a pas, il a pas, c'est pas des polos où il y a des tatouages. C'est-à-dire, il y a pas, c'est pas des imprimés avec mhm. euh, soit euh, un âne ou un aigle ou quelque chose comme ça. Souvent, le polo, c'est un polo couleur unique ou au grand maximum comme c'était tout à l'heure, c'est-à-dire carrelé mais jamais des motifs parce que c'est pas joli. Alors la prochaine image, là aussi on l'a en bleu mauve. Alors là aussi c'est très joli, il y a du rose. Donc pour les hommes qui osent les couleurs, il y a du rose, il y a du blanc, c'est très joli porté. Ça fait vraiment pas féminin mais vraiment pas du tout. Alors euh, cher la prochaine image euh, je pense qu'on aura normalement du bleu encore. Voilà, là c'était le dernier bleu. Là aussi on a du bleu qui est très joli avec juste un tout petit peu légèrement de blanc au niveau du col. C'est mignon et les polos peuvent se mettre avec des jeans, les polos peuvent se mettre avec des pantalons de costume, un peu style costume, c'est-à-dire les super 100. C'est vraiment mignon. Ça peut se mettre avec des jeans euh, déchirés, ça peut se mettre avec plein, plein, plein de choses. Alors la prochaine image, là on va vers le blanc. Donc là on a du blanc un peu été avec du vert fluo au niveau des manches et au au niveau du col. Les polos, souvent, les couleurs, c'est au niveau des manches, au niveau des boutons ou au niveau du col. La prochaine image, chère Là, on a du blanc avec du bleu foncé. Donc, la majeure partie euh, du polo, c'est du blanc. Mais au niveau du col, comme d'habitude, et des manches, il y a le bleu foncé. Chère Faye, la prochaine image. Voilà, là, on a un polo Hackett London aussi qui font de très beaux polos hein, avec euh, le sigle, le numéro. Donc, euh, Hackett London, je pense que c'est aussi une marque avec du foot américain qui est très joli, donc avec du bleu, du rouge, ça fait très très mignon. Alors la session couleur pour ceux qui osent les couleurs, voilà, là on a le polo, c'est un Ralph Lauren avec euh, du orange qui est très joli aussi, le orange qui va à un teint noir et un teint euh, clair, donc euh, c'est vraiment une couleur qui va à tous les teints. Alors la prochaine image, là on a du rose. Alors le rose, je le conseille euh, vraiment à ceux qui sont peut-être de teint marron, hein, pas pas trop noir, pas trop blanc. Moi le rose sur une euh, sur une peau très très très blanche, euh, je, pense que ça fait pas, ça ne sort pas la couleur du polo. Alors la dernière image, là on a du jaune moutarde avec Emporio Armani aussi qui a un très joli polo, du orange et du bleu qui est très très mignon et qui va aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous les teints. Donc euh, voilà, c'était la session polo. Aujourd'hui, ben, les hommes, je pense qu'ils ont été servis. Ah Ils vont pas dire que je les ai oubliés. Euh, voilà, hein. Daouda, je pense qu'il est content hein, aujourd'hui avec les polos parce qu'il met tout le temps des polos. Polo. Hein. Daouda, c'est Mr. Polo. Il me dit que s'il en a 15, il va être tranquille. <laughs> Donc euh, voilà. Alors, Mokhtar Senghor qui dit J'adore les polos, ma couleur c'est le bleu. D'accord, merci Mokhtar. mettre le juriste qui dit Oh, salut la team j'ai votre 90.3, c'est-à-dire votre nostalgie. Sinon, mes polos bleus, be nice, non, mais j'aime le rouge. Adama Junior Gay qui dit Très joli. Bintou, Rasoul Fall, je vous adore, mes inconditionnels. Fatim, je te suis partout, ma belle. Oh, merci beaucoup, ma grande. Jane Banjai qui dit Waouh, les polos sont magnifiques. Merci, Nafissa. Binette Goudjabi, un polo quand on est un peu musclé. Junior Dash qui dit Ah, trop nice les polos, mais Nafissa, faut parler de la qualité des tissus des polos. Mhm. Effectivement, les polos, je vous conseille, même, même pas les polos seulement. En ce moment, habillez-vous en coton. Habillez-vous en coton, évitez le nylon. Habillez, prenez des tissus qui sont en coton. Et de préférence pour les polos, prenez du coton. Hein. Évitez le nylon parce que sinon ça garde la chaleur. Parce qu'un polo en coton, c'est agréable en été. Et les filles aussi, euh, si vous voulez savoir, il y a des polos pour vous. Je reviendrai avec une session, euh, Inch'Allah. Ça, hein. manque dans ma <laughs> garde-robe. Hein. J'ai pas de polo, moi. Ah, ben c'est très joli. Ah, avec les mocassins, ça fait, euh, ça fait très mignon. <laughs> Alors Divine euh, qui te taquine un petit peu, qui dit Nafisa, Mungo ou boutique prête à porter. <laughs> Et il aime aussi les polos, il dit que c'est classe. <laughs> Donc voilà, 9h58 minutes, ça va aller vite. Hein. on va aller jusqu'à 10h05 parce qu'il y a plein de petites choses qui sont rajoutées dans la matinale. Donc euh, on passe en cuisine. Aujourd'hui, une salade César au poulet, une salade fraîcheur dans la mesure où il fait chaud. Hier, vous avez mangé du... Darine. Et eh ben pour alléger ça, pour euh, mixer, équilibrer quand même, euh, on passe à une salade César, une bonne grosse salade César comme on aime, au poulet. Alors la salade César, normalement, elle vient de New York, des États-Unis. La salade César, c'est une salade typiquement américaine pour l'historique de cette salade. Et aujourd'hui, je vous propose une salade César au poulet. Et pour cela, il vous faut, pardon, forcément des feuilles de laitue ou bien des feuilles de salade normales alors salade César nak mi ngi salade bo xamante euh Amérique lañ ko tam di defaree fofu la jóge alors pour pour mën ko defar li ngay soxla moy salade laitue wala salade ordinaire. il vous faut du blanc de poulet. di nga soxla ginaar. que vous avez déjà cuit préalablement à la poêle. bi togon ba paré ginar blanc de poulet attention. le blanc de poulet comment on peut dire ça dënn bi dënn bi kese mais sans yax Hein? waaw sans yax Guinar ginaar boo xam amul ben yax d'accord il vous faut des croutons de pain alors di nga le euh, ay euh, croutons de pain Croûtons de pain, c'est c'est c'est du pain euh, sec, mais euh, voilà, en coupé en dés. Mm. Il vous faut euh, des copeaux de parmesan parmesan di nga ko soxla tamit. cest à oui le parmesan c'est une. c'est du fromage fromage. d'accord c'est du fromage italien le parmigiano il vous faut de l'ail. di nga soxla du jus de citron. di nga soxla ndoxu et vous avez besoin d'une sauce tartare qui est déjà vendue dans les grandes surfaces. di nga soxla benn sauce tartare boo xamante ne mën nga ko fekk ci supermarché sel. di nga soxla xorom. poivre. poobar. Comment faire cette salade César naka nañ koy toggee salade bi. nettoyer essorer la salade. alors nga jël sa salade raxas ko ba mu set ba pare wowal ko. découper les blancs de poulet en morceaux préalablement cuits à la poêle. Euh, Gina bi nga xam ne nekk da nga ko muusaloon ba pare da koy jël nga ko. peler et hacher l'ail. nga jël sa laaj nga raxas ko xolli ko ba pare dëbb ko mélanger dans un saladier la sauce tartare. nga jël benn bool nga def ci sauce tartare bi. le jus de citron. ak loxo limon bi. l'ail ak laaj bi. le sel. ak xorom. et le poivre. ak poobar bi. ajouter la laitue nga dolli ci sa salade laitue. le poulet. nga def ci ginaar bi. les copeaux de parmesan. après nak par fromage parmesan bi nga dagate won nga def ko ci. les croutons de pain. nga jël euh, mburu bu wow bi bi nga def ko ci. et mélangez bien. après nga jël yëpp jaxase ko. Euh, cher, je veux en image quand même la salade euh, César au poulet, réservée au frais juste kojou, bah je dis Kojo, réservé au frais jusqu'au service. Alors, nga dugal ko ci frigo ba heure voilà ba heure donc euh, pas trop bu leen ko une heure de temps de sinon day kii trop. Il y en a qui rajoutent par contre des blancs d'œufs aussi. Voilà, c'est-à-dire euh, des œufs bouillis aussi ou des blancs d'œufs pour la salade César. C'est très light, c'est très léger. Après avoir mangé du dachin euh, la veille, vous pouvez euh, équilibrer votre alimentation en mangeant une grande salade César. Mais y en avec fait, de la tomate aussi. Hein? Il y en a qui mettent de la tomate, effectivement, oui, merci Nafisa. Il y en a qui mettent de la tomate. Hein. Chacun a son petit truc. Oui, euh, alors, euh, disons 15 minutes, 15, maximum, vraiment. Si vous avez un bon frigo, si vous n'avez pas un bon frigo, <laughs> c'est-à-dire frigo pour ramener du gars au CED, 20 minutes au frigo et après... Mhm. D'accord, des deux gars, en tout cas, qui aiment cette salade, la salade binaire, merci à vous. Toi, c'est ta préférée aussi, <laughs> euh, la salade César Toujours en entrée, je prends une salade César. Une salade César. Au je suis sûre que tout ce qu'il y a dedans, c'est je connais oui. et j'aime bien. tu mhm. aimes bien. En tout cas, de bonnes salades César, ça fait du bien. Alors, euh, quand même, euh, un qui propose un extrait euh, avec Rahma. Retour sur cet acte qui a fait le buzz à travers certains sites d'information et dans les réseaux sociaux, appelé en pleine émission Waref le lundi dernier sur TFM par un téléspectateur qui semblait déchaîné et dégoûté de la charmante Evatra, la meneuse de l'émission, non moins successeur de feu euh, Degen Chimère Diallo prend cet acte avec philosophie. Elle dit que si ou du Jammi Boromum, je ne suis pas fâchée. Elle répond au micro de Rahmadiouf et rappelle les aléas du métier. Tout de suite, cette interview, ce petit micro avec Rahmadiouf euh, avant de dire au revoir. il faut que nous comprendre beaucoup boo ñëwee na nga xam ne lu ne mën na la caa fekk boo bëggoon ñu bañ laa waxal leen da ngay toog sa kër sàngoo mbàjj mais tu ne peux pas te bañ ne xeer yi du duñu agsi waaye daal bu nit defee yenn yëf yi safaan wi yow da nga war a am esprit de dépassement parce que fa nga toog moo tax ñu lay ñu lay wax yenn yi te lekk say gis nga am na doomu aadama yoo xam ne si je te dis Rahma dugguñu pour wax lu bon de waaye ndeysaan ñu naan maladroit dafay dee am dañuy wax comme ni ñuy waxee ñu réewum démocratie la boo xoolee sunu démocratie xam nga yemul ak bosu tubaab bi tey am na yoo xam ne moo ko defee léegi Macky Sall la jël si ma kon loo gis rek daal dafay baax ñu diriger ko waaye nan ñun dañu war a xam ñun ñi nga xam ne ñooy homme de média yi bu dee noonu laa ko mën a waxee nanu xam ne danoo siiw te ku siiw siiw du jàmmi boroom waruñu ci am benn naqar yàlla xam nag nit ni mu lay soppee noonu la la nit nit di bañee sopp nit na mu mënee woote def zéro faute noonu la nit mënee da nga koy gis ci ndaje kenn koo xam ne buy wax dañ naan ay lu muy waxati dafay am te fii ba àddunay tukki li bambara yi naan foo ji tàjji ñawuli loolu ba àdduna àddunay tukki day am daf nu war a yokk nu war a góor góorlu te itam ku ci ne post bi nga nekk na ko jàpp xam ne yàlla la ko jox looy def rek def ca lu baax incha allah yàlla moo lay fayal boppam. Voilà, c'était un extrait de notre grande sœur Eva C'est vrai qu'il y a eu un téléspectateur, un, vieux, hein, par, par, rapport à sa voix, qui a appelé pour dire Oui, qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas sénégalaise, t'es malienne, retourne au Mali voilà, vous, euh, voilà, il y a, des, dames qui sont plus jolies que toi, qui sont plus calées que toi. Comment ça se fait que toi, en tant que malienne, tu sois sur la TFM et qu'il y a d'autres qui sont au chômage, qui sont des Sénégalaises et voilà, qui pourraient éventuellement bien te remplacer. Euh, tu n'es pas sénégalaise. Donc elle dit, bah écoutez, je prends ça avec philosophie. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Écoutez, quand vous êtes public, un personnage public, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont être des fans, il y en a qui vont pas vous aimer. Il faut prendre juste du recul. Et puis, personne n'est parfait. J'en suis, il y le, monsieur, il a juste été maladroit. Et puis, moi, je prends ça, euh, voilà, euh, professionnellement. Donc euh, non, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal par rapport à ça. Ce n'est pas grave pour moi, ça, arrive, ça doit arriver de temps en temps et ça arrivera jusqu'à ce que jusqu'à la fin du monde. C'est des choses qui arrivent, qui ont toujours été là, donc on ne peut rien y faire. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de ça Alors moi, je pense qu'elle a. Alors moi, j'ai été, euh, j'ai été, j'ai été fière uh-huh. parce que je me suis dit, euh, parce que beaucoup, beaucoup d'animateurs, beaucoup de présentateurs aujourd'hui, quand ils euh, ont ce genre de remarques, se mettent à répondre. Mm-hmm. à répondre mais j'ai trouvé qu'elle a bien géré l'affaire. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle a été vraiment très professionnelle. À la limite, euh, je pense que c'est elle-même qui a, qui, a, qui a descendu d'un grade ce qui s'est passé parce que elle a carrément montré, elle l'a pris d'un côté drôle, mm-hmm. elle l'a pris d'un côté marrant et à la fin, elle a dit qu'au fait, Macbourle. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, elle rend même cette personne qui lui a dit ça, c'était pas sympa quand même. Moi, je trouve que c'était pas sympa. Mais quand même, elle a, elle, a, elle a fait preuve de respect, elle a fait preuve de professionnalisme, donc j'ai vraiment apprécié. Bintou Oui, c'est les aléas du métier. Comme elle a dit, que y a beaucoup de gens qui xam am ñu comme nous, xam que am na côté positif mhm. elle a raison elle a bien répondu le fait que mag la ba pare euh, comme ni ñuy wax euh, chemin elle a été très professionnelle parce qu'après continuer une émission elle a fait ce qu'elle avait à faire ici fini. elle a fait preuve de hauteur de professionnalisme d'élégance à l'africaine effectivement c'est vrai qu'elle est bambara comme moi moi je suis une Ouattara elle est une Traoré comment. Qu'est-ce que tu fais là <laughs> eh, Elle, est les ah, Donc, voilà, ah. on est né au Sénégal, on a grandi au Sénégal. Maintenant, de faire un amalgame en disant oui par rapport à notre nom de famille, on n'est pas sénégalaise, alors qu'on a prouvé au Sénégal et aux Sénégalais qu'on en avait dans le ventre, qu'on est très professionnel, qu'on apporte des choses, pas aux Maliens, mais aux Sénégalais, et qu'on a une culture africaine, parce que non seulement on a, c'est vrai qu'on a reçu une éducation à la Bambara, mais quand vous voyez par rapport à l'histoire du Sénégal. Le Sénégal, c'est pas juste des Wolofs. Il y a des Djola, il y a des Serrères, il y a des Bambara, il y a des Malinqués, il y a des Balantes. Il y a plein d'ethnies. Il faut pas rentrer dans l'histoire de la xénophobie, de l'ethnicisme. Non, refusez ça. Soyez africain dans l'âme, pas seulement sénégalais ou sénégalaise. Parce que quand il y a des problèmes, quand vous êtes en Europe, on ne vous voit pas comme un Sénégalais ou une Sénégalaise, un Malien ou une Malienne, un Congolais comme une Congolaise. On vous voit juste comme un Africain. Et les Africains par là. Non, mais moi, je suis Sénégalais. Et alors, on s'en fout. Vous êtes Africain. Vous sortez de chez nous. Sentez-vous Africain. Soyez fiers de vos origines, hein, Sénégal, etc., etc. Mais sentez-vous Africain. Ça, c'est un conseil que je vous donne. En tout cas, bravo Evatra. Moi, je suis fière de toi, mm. grande sœur. Reste comme tu es jusqu'à présent. On peut pas plaire à tout le monde. Je ne plais pas moi à tout le monde. Bintou ne plaît pas à tout le monde. Nafissa ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai qu'on est là, on est au devant de la scène. On prend les choses avec professionnalisme. On prend de la hauteur et on fait preuve de maturité. C'est vrai qu'on n'est pas parfaite parfois. On se laisse guider par des pulsions parce que parfois c'est injuste certaines personnes ce qu'elles font et au nom de quoi Pour moi, c'est de la méchanceté gratuite, c'est de la bêtise humaine. Mais après, c'est pas grave. Life goes on. De toute façon, il y a que Dieu qui nous juge. Voilà, et Dieu vous voit, Dieu nous voit tous. Il sait qui est qui, qui a bon cœur, qui n'a pas bon cœur. Wassalam. C'était Fatimo, c'était Bintou, c'était Nafissa. Tout à l'heure, coup de cœur, coup de gueule sur la RFM, 14h, 15h30. Bye. King FM.